le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou passé de 15 minutes au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est le rendez-vous chaque vendredi soir avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum de ce soir figure la libération cette semaine des trois principaux leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile après quatre mois de détention dans différentes prisons, dans différentes prisons de la région de Tilabéry. Il s'agit de Nouar Ali Idrissa et Moussa Tchangari qui écopent de trois mois de condamnation avec sursis. Et puis à suivre dans ce forum le point des préparatifs du Hajj 2018 au Niger à moins d'une semaine du premier vol prévu le 2 août prochain. Des inondations, il en sera aussi question dans le forum de ce soir, comme vous le savez. Plusieurs localités du pays ont été victimes de fortes précipitations qui ont occasionné des inondations dont les, dégâts, se sont matérialisés dans certains cas par des pertes d'importantes quantités de têtes de bétail. Enfin, nous aborderons la question de l'élection présidentielle malienne dimanche prochain. 24 candidats sont à liste pour le portefeuille présidentiel. Une nouveauté, les Maliens à l'étranger sont appelés à aller retirer leurs cartes d'électeurs dans les consulats de leur pays installés là où ils sont. Pour discuter de ces quatre sujets, nous sommes ce soir en compagnie de nos confrères Issa Amorumadougou, qui est journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Mamadou. Oseini Issa, journaliste freelance également avec nous. Oseini, bonsoir. Bonsoir. Elage Suleiman Mamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. À la présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 27 juillet 2018 que nous ouvrons avec la libération mardi dernier des trois principaux leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile après quatre mois de détention. Il s'agit, comme je l'avais indiqué, de Nouarzika, Ali Idrissa et Moussa Changari poursuivis pour avoir organisé et participé à une manifestation interdite le 25 mars 2018 passé. Ils ont écopé ainsi de trois mois de condamnation avec sursis. Deux autres détenus ont été également libérés et les autres condamnés à un an de prison assorti de six mois de sursis. Alors je m'en vais commencer tout de suite avec vous, Issa Mormadougou de la radio et télévision Ténéré. Qu'est-ce qui a joué finalement en faveur de ces acteurs pour qu'ils soient libérés quand on sait que lors du procès, le procureur de la République euh, a requis trois ans d'emprisonnement ferme contre eux Est-ce le triomphe de l'indépendance de la justice au Niger ou tout simplement euh, c'est le fruit des pressions nationales et internationales observées depuis quelque temps sur les autorités Écoutez, moi je pense que d'abord il faut dire que au Niger, malgré tout ce qu'on dit par rapport à la justice, nous avons toujours des magistrats indépendants. Mais il n'y a pas un pays dans lequel nous ne pouvons pas trouver d'abord l'ingérence dans le système judiciaire. Il n'y en a pas. Vous voyez aujourd'hui, c'est le cas de Benalia en France. donc, c'est un pays de démocratie qui ne donne pas l'exemple aux autres pays. Je peux dire que là, c'est une bonne chose pour les acteurs et également pour le Niger. Parce qu'en fait, cette affaire avait mis le Niger sous l'effet de projecteur, euh, le Niger a été traité de tous les maux. Et bravo aussi à leurs avocats qui, sur trois chefs d'accusation, ont pu faire tomber les deux et finalement ils ont été condamnés pour un seul chef d'accusation et à trois mois d'emprisonnement sorti de sursis ils ont été condamnés, ils ont retrouvé après quatre mois de liberté, ils ont retrouvé, sinon il y a quelques sept personnes, je crois bien seulement, qui ont été accusées euh, d'un an d'emprisonnement avec six mois à ah, sortir de prison. D'autres, euh, oui, d'autres ont bénéficié du relax pur et simple. Mm. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie nigérienne. Et, tout de même, il faut dire que il faut que, je suis d'accord avec un des leaders qui a été interviewé, qui disait qu'il faut que les gens arrêtent de dire que <coughs> quand la, la justice, le verdict est en votre faveur, que euh, elle est indépendante, quand même. Quand elle vous condamne, vous euh, non, il faut continuer la bataille parce qu'ils estiment que selon ses dires, qu'ils sont jusque-là ils ne devront même pas être condamnés et ils vont faire appel. Moi, je suis d'accord avec un tel raisonnement qui démontre l'objectivité euh, à croire que nous sommes dans une démocratie. Mais s'il y a un problème de justice qui se pose, ça revient à tout citoyen de se lever, de combattre le système pour que on puisse réellement bénéficier parce que c'est le dernier rempart dans une démocratie pour les citoyens. Et quand cette justice se porte mal, je crois que quand elle est malade, c'est la nation qui risque de s'écrouler. Donc nous allons nous retrouver dans une situation pas du tout confortable qui ne reflète jamais les aspirations euh, populaires. De toutes les façons, je pense que euh, cette situation quand même et, après ça, parce qu'elle va apaiser la situation, la tension va baisser d'un cran. Donc, euh, en attendant de voir les prochains jours, je pense que tout d'abord, non, la situation va, <laughs> la tension va se calmer. Bien. Et là, Suleiman Mamadou, c'est votre point de vue. Euh, je suis d'accord avec mon confrère euh, Madougou, c'est que effectivement, ma première observation, c'est que franchement, ce euh, poursuit honore notre démocratie. La justice, en tout cas, a fait amende honorable. Euh, parce qu'à un certain moment, euh, la défense avait semé quand même le doute au niveau de l'esprit des citoyens en disant que cette justice elle est aux ordres. vous, vous rappelez-vous mm. les propos de, de l'avocat euh, donc, lorsque effectivement c'est vrai, ça a attardé le, procès, mais je pense que c'est une stratégie de la défense en fait euh, pour forcer la main donc euh, à ceux qui doivent faire juger ce genre là effectivement. mais il me paraît évident que ce procès-là, c'est un grand procès. Ce qui est important, il y a eu un procès contradictoire où chaque partie, en tout cas, est satisfaite parce que chaque partie a eu à s'exprimer j'avoue que ceux qui sont avertis de la chose judiciaire disent que franchement, le juge a été très très personnel. Il a pu gérer vraiment toutes ces passions-là. Et effectivement, le plus important aussi, il a rendu un délibéré franchement aussi acceptable parce qu'en réalité, le fait qu'aucune partie n'a daigné euh, faire appel, ça prouve qu'effectivement, c'est quelque part. Euh, d'ailleurs, vous l'avez dit, les, avocats, effectivement, ils ont, été suivis, en tout cas. Euh, je pense que, en tout cas, ils ont été suivis. Euh, tout comme, effectivement, il faut aussi le reconnaître. On ne peut pas dire que le procureur n'a pas été suivi parce que, quand même, avec ceci, c'est une condamnation. Et aussi l'autre élément, l'autre détail important, c'est que certains ont été condamnés à quand même un an, de six mois ferme. Mhm. Parce que simplement, on a estimé qu'on a des preuves euh, contre eux. Parce que cela, autrement dit, les faits étaient constitués. Donc, bref, moi je pense que le plus important, comme il l'a dit, euh, la liberté de la justice, euh, c'est quand c'est pas un acquis donné c'est la lutte, en tout cas, c'est comme toute liberté, mais il faut le reconnaître, euh, même euh, les observateurs qui étaient venus, notamment le professeur Tin, l'a reconnu que euh, la justice, en tout cas, a fait montre d'indépendance, et il faut le reconnaître aussi, la justice nigérienne a l'habitude, en tout cas, dans des situations éprouvantes, à sortir vraiment, euh, à vraiment surprendre le monde. Ce qui fait que franchement, euh, je pense que nous, on a parlé de triomphe d'état de droit. Parce que simplement, en réalité, tant qu'il y a une justice, tant qu'il y a des magistrats qui sont indépendants, la situation n'est pas désespérée. Et ça qu'il faut vraiment encourager. Encourager. Euh, Issa, vous, euh, comment est-ce que vous analysez cette libération de, ces trois leaders de, de, des acteurs de la société civile D'abord, je me réjouis de la libération des responsables. On sait dans quelles circonstances, le jour de la manifestation, ces responsables ont été arrêtés. Et on a vu aussi, la première fois quand le procès devait se dérouler, je crois, on ne les a pas fait acheminer à Niamey alors que la date avait déjà été fixée. Il a fallu encore, et comment vais-je dire, placer une autre date, donner une autre date. tout cela laisse dire aux gens que quelque part, il y a une manipulation. En tout cas, dans, le, la feuille, il y a eu manipulation quelque part. Maintenant, le fait qu'il soit libre, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a des militants qui sont aujourd'hui, comment avait dit, en situation de détention. Il y en a qui ont écopé d'un an, vous venez de le dire. d'un an euh, à sortir de, mois. Déjà, le fait d'emprisonner quelqu'un pendant quatre mois, quatre mois en détention, la sanction, ou du moins la sentence, on dit trois mois avec, et euh, trois mois avec sursis. Mhm. Ils ont, déjà fait la prison. C'est clair, non Maintenant, la, vraie bagarre, c'est la liberté de manifestation. Autant les juges, ou du moins le juge qui a géré le dossier a été professionnel, autant de l'autre côté, je crois, il faut créer les conditions pour que cette liberté de manifestation soit en tout cas respectée. Parce que c'est ça qui amène le problème. Les gens ont l'habitude de manifester pacifiquement. Je ne vois pas subitement, à chaque fois, des autorités communales trouvent des arguments fallacieux pour dire les manifestations sont interdites. Vous les avez bien entendus quand ils sont sortis, ils ont dit qu'ils vont continuer à faire la lutte. Et c'est une lutte citoyenne qu'ils ont engagée. Ils ont engagé sur la base de la loi de finances 2018 qui est toujours en vigueur. Euh, Et je pense que à partir de cet instant-là, désormais, il faut qu'on autorise, on donne la possibilité aux acteurs de manifester. C'est quand même des gens responsables. Systématiquement, on ne peut pas les taxer d'être des casseurs, ceci, cela. Hussein, euh, logiquement, vous, vous voyez la conséquence de cette libération à court et long terme comment Bon, mais la conséquence, c'est ça, de la... reprise non. des euh, non, mais c'est ils vont continuer. Certainement, ils l'ont dit. Ils l'ont tous dit qu'ils vont continuer à faire la lutte. Maintenant, ça fait juste une semaine, moins d'une semaine qu'ils sont libres. On va attendre de voir dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines les, actions qui continuent ici. Bien. Et, Issa Madougou moi, je pense que, comme ils l'ont dit, ils ont le secret de leur propre stratégie. Nous ne pouvons pas nous mettre au cœur de ce que leur stratégie d'orientation par rapport à leur lutte, c'est eux qui ont. Mais comme ils l'ont dit, qu'ils vont continuer la lutte, mais avec euh, d'autres camarades, de leurs camarades qui sont déjà encore en détention dont on n'a pas ils n'ont pas été ils n'ont pas ils se sont pas encore fixés sur la date de leur procès, à savoir Michael Zodi, eh, et Ibrahim Djori et Abdou Karim Tonko, je crois bien, ici à Niamey, et deux autres, Zander, Massi mm-hmm. et Sadat, euh, qui sont également, mais dont eux, ils ont leur chef d'accusation n'est pas pour la, même chose. parce qu'ils n'ont pas été arrêtés, euh, d'ailleurs. Euh, oui, oui, effectivement. Eux, bon, c'est en fait, c'est dans le même cadre, c'est dans le cadre de l'organisation des journées d'action citoyenne qu'ils ont été arrêtés. <clears throat> La conséquence, euh, pour ou contre, moi, je ne <laughs> saurais le dire, mais quand même, je sais qu'il y a une chose. En fait, aujourd'hui, mm, la liberté, c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que euh, euh, la défense a fait un travail extraordinaire parce que le chef d'accusation sur participation à une manifestation interdite a été comment on appelle, laissé tomber. Parce qu'ils ont démontré des arguments par rapport constitutionnel qui démontre que vraiment la liberté est une réalité au Niger garantie par le manifester, garantie. Donc tu vois le prétexte utilisé et de la manière dont vous, louez, vous, louez les mérites des, avocats de ces acteurs. Effectivement, mais c'est sans leur avocat qui ils ont fait tout à l'heure ils ont fait des annonces, ils ont fait, ils ont, ils c'est leur stratégie, c'est leur stratégie. Il faut pas oublier aussi mm. que leur stratégie a vraiment marché, mais tout de même leur client a été condamné. Même s'ils ont dit qu'ils vont faire appel pour bénéficier de la relaxation, de toutes les façons, ils ont, euh, ils, ont fait. Mais quand même, les prochains jours vont nous édifier par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils ont annoncé qu'ils vont continuer la lutte, qu'ils ne vont pas baisser, ils vont continuer jusqu'à satisfaction, jusqu'à faire, à, amener le gouvernement sur une table de négocier, à réviser cette loi de finances et aussi euh, un certain nombre de, revendications par rapport à la gouvernance et les libertés fondamentales. Et là, je euh, la libération des quelles conséquences euh, Quelles conséquences C'est que moi, je vois ça en termes de, bilan. Il ne faut pas euh, vraiment se, mentir. Le mouvement était plombé parce que quand on voit un peu l'espoir qu'avait suscité ce mouvement, dès que les principaux ont été arrêtés, on ne parle plus. Les, Jacques, en fait, les gens annoncent qu'il y Jacques, mais il n'y a rien, ils ne sortent pas. Donc, franchement, sur le terrain, vraiment, les gens euh, étaient vraiment en train de lutter pour libérer. Donc, la lutte en tant que telle était oubliée. Parce qu'effectivement, il y a eu hein, une erreur de stratégie des, dirigeants. Parce que cette affaire-là, ils auraient pu l'éviter. D'ailleurs, même parmi eux, moi, j'aurais appris que si on avait écouté nos Arzeka, qui a mis en avant euh, l'argument de, droit parce que, euh, de, la, loi, hmm. on l'a dit, mais notre tâche est lâche. Il a dit, allez-y, allez on va voir effectivement, ce, cette action-là de braver l'interdiction avait porté un coup de, au mouvement. Moi, je suis en, tant que citoyen, nous sommes des citoyens aussi nigériens, donc nous considérons qu'en tout cas, il y a une erreur qui euh, stratégique qui a été commise, parce que simplement aujourd'hui, il faut le reconnaître euh, en termes de rapport de force il n'y a plus de mouvement en tout cas qui peut vraiment faire. Est-ce que vous pensez que maintenant qu'ils sont libres Maintenant, justement, moi je comprends le, propos que j'ai entendus d'Alidous et de Tchangari. Vous savez comment dire l'autre, euh, quand on euh, dit en, langue, euh, quand effectivement quelqu'un vous frappe, quelqu'un, il faut laisser pleurer. C'est un peu en fait cette colère-là, mais sur la réalité, il faut être réaliste, il faut d'autres stratégies. S'ils font la même erreur, ils vont retourner en prison. Et j'avoue que ce n'est pas. Euh, vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'enfin, en tout cas, leur erreur stratégique a coûté très, très euh, dur pour le mouvement. Espérons que pour en tout cas faire en sorte que le mouvement puisse. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la loi 2018, mais bientôt on va commencer à parler de la loi 2019. Donc vous voyez un peu euh, ce que ça, a donné. Bien, sur, un tout autre plan, parlons à présent des inondations, je le disais, qui ont lieu dans plusieurs localités du Niger euh, dans ces mois de juillet, des fortes précipitations qui ont occasionné des inondations dont les dégâts se sont matérialisés dans certains cas par des pertes d'importantes quantités de têtes de bétail euh, emportées dans la région notamment Tawa, Agadez, Zender. Pour ce qui est des pertes de bétail, les localités de Chintabaraden et ingal sont les plus touchées. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Agali Chaman, le maire de la commune rurale Dingal, qui fait la situation des dernières pluies de la semaine passée qui ont occasionné d'énormes pertes c'est juste euh, un échantillon là où la mission s'est présentée. Donc nous avons pour les ovins 952 têtes, les caprins 165. Ça, ça s'est passé au niveau de cinq localités. Le nombre de ménages touchés 908, nombre de personnes conservées 5448. Les dégâts restreints dans ces ménages s'élèvent à gros ruminants 635 têtes, petits ruminants 5812. Les, les villages et les hameaux, vallées dont les informations ne sont pas remontées par l'escapula, donc on a petits ruminants 6400 137, gros ruman 635. Voilà la situation donc comment elle se présente. Vous venez là donc d'écouter le maire de la commune rurale d'Ingal. Alors, euh, Issa Mouadougou, comment vous comprenez euh, ces dégâts euh, qui, ont été causés donc par cette pluie sur les bétails dans les localités, donc notamment la localité d'Ingal Comment prévenir ces genre de dégâts à l'avenir on a vu que, en tout cas, pour le cas d'Ingal, ça revient chaque année. Au euh, de l'année, vous savez que les services qui relevant de la prévision météorologique, ce sont, en Afrique de l'Ouest même, se sont regroupés, ils ont donné les prévisions. Quand on a dit juillet, août, il y aura de fortes précipitations. Ils ont dit mi-juin, août. Donc, ce qui veut dire que l'information a été distribuée à temps. Effectivement, Ocha avait parlé. Oui, mais c'est que c'est à nous de préparer la riposte. Parfois, il faut pas, il faut, aujourd'hui, c'est pour cela que quand vous entendez les projets de développement, on parle de résilience. On ne devrait pas s'attendre à ce que les gens viennent nous apporter la grâce pour nous sauver. Euh, pour nous sauver. Nous-mêmes, il faut que nos communautés nous adoptent des, des méthodes propres à nous pour pouvoir protéger nos vies, nos biens et, oh, euh, notre cadre de vie. C'est ce qui, parce que tout, il y a une grande partie des gens qui se trouvent dans des zones inondables. Par exemple, quand on prend le cas de et de Kintabana, c'est des zones qui ne connaissent pas d'habitude les grosses pluies. Mais comme, compte tenu des prévisions, on a dit qu'il y aura une grande quantité de pluie qui va venir. Donc, normalement, les gens devront prendre, y compris les autorités locales et les communautés, doivent prendre des dispositions pour, euh, préparer la riposte parce qu'on sait que trop de pluie, ça tue des bétails, surtout le bétail qui n'est pas habitué à la mm-hmm. pluie. Quand vous prenez, par exemple, pour le cas d'Ottawa, on sait que c'est des travaux qui ont été exécutés. Et là, moi, je pense que je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, quand on entreprend des travaux parfois, on voit que ces entreprises ne prennent pas le temps de consulter la cartographie et, de, la zone. pour pouvoir faire les infrastructures. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout le monde sait que c'est un fait naturel. L'eau d'habitude ne, se, ne, change jamais pas, de son chemin. Toujours, c'est la même voie. Donc, c'est des, des, situations pareilles qui se sont présentées à Tawa, qui ont fait en sorte qu'il y a eu plusieurs maisons, et d'ailleurs même une grande euh, partie d'un quartier était partie. Et récemment, on parle des Zander. On parle des Zander à partir d'hier. Donc, Zander est en travaux, selon certaines informations, on dit que les travaux ont été facilités, mais quand même aussi, il y a certaines populations qui ne rendent pas facile l'exécution de ces travaux, qui refusent d'accepter certaines euh, concessions pour euh, faire en sorte quelques voies sur le logement. Mais tout de même, moi, je pense que l'information a été. nous, on a mal utilisé cette information Mal utilisé cette information. Hussein Issa c'est votre point de vue bon, ben, En réalité... <clears throat> on a vu, en tout cas, OCHA avait annoncé au, mois de juin qu'il y a des risques d'inondation dans certaines régions du Niger et 17 170 000 personnes pouvaient être mais Bien entendu, et ce n'est pas fini, certainement. Je sais pas un jour, mais je pense que ce n'est pas fini. On est, on pas en encore fin juillet. dans le mois d'août. Et certainement qu'il y aura des pluies importantes qui viendront courant mois d'août. La question de résilience, là, je ne pense pas que ce soit aux populations. On sait que dans nos pays, en tout cas dans la plupart des régions, les habitats sont construits avec des matériaux précaires. C'est le banco souvent. Mais le véritable problème, c'est que on n'aménage pas des caniveaux. Les conduites d'eau, même ici à Niamey, le problème est là. On construit un quartier, on ne prévoit pas de caniveau pour drainer les eaux. Et quand l'eau n'arrive pas à être drainée, qu'est-ce que ça fait Ça rentre dans les maisons. Seulement pour le cas de Niamey, il y a des caniveaux, les gens les bouchent. Non, je veux dire, de, non, pas Aujourd'hui, il y a des quartiers, il y a beaucoup de quartiers où il n'y a même pas de caniveaux. Généralement, c'est dans les quartiers traditionnels que vous trouvez des caniveaux. Mais dans les quartiers modernes, vous allez là-bas, la plupart d'entre eux, il y a très peu de caniveaux où c'est des petits, des travaux tels que c'est fait, ça ne peut pas drainer l'eau. Il faut faire des collecteurs. Il y a cette question d'infrastructure. Oui, justement, euh, quand on construit, et ça, le travail des autorités est là. Les autorités communales s'entendent. Mais sinon, il faut s'attendre chaque année à ce qu'il y ait des catastrophes quand il y a des grosses pluies. On a vu aussi qu'il y a des comportements souvent des citoyens, de certaines personnes qui refusent d'évacuer les zones inondables oui, mais euh, les malgré zones euh, inondables, les alertes. mais le problème qui se pose, le, problème qui se pose, c'est un peu euh, la vente anarchique des, des, des, parcelles. Des gens sont devenus des lotisseurs. Ils n'aménagent même pas l'endroit où ils vendent. Et l'État qui doit normalement dire il faut arrêter cet endroit-là. On ne peut pas. L'État ne fait rien. Bien. Euh, Suleiman euh, Mahamadou euh, Justement, on n'est pas surpris. Est-ce que, vous pensez, excusez, mhm. est-ce que vous pensez que les uns et les autres n'ont pas pris sérieusement l'alerte Bon, en réalité, réalité ce qui se passe, il y a déjà beaucoup de problèmes qui font que la prévision, c'est ce que la Russie en amont, dès les perceptions de nos villes, qu'il va prévoir un certain nombre, euh, de, en tout cas, de normes qui vont effectivement permettre à l'eau de couler sans vraiment euh, inondation, en tout cas sans problème. Mais euh, en fait, avec l'annonce de la météo, en tout cas, on est vraiment averti. et aussi, on se rend compte à l'évidence que le changement climatique, c'est une réalité. Et moi, ce que j'ai craint, parce que regardez nos, habitations. même ici à Niamey, certaines habitations ne peuvent pas résister à de fortes pluies. Euh, ah, absolument. Donc, par conséquent, euh, la, la, la, la réaction, c'est tout cela. Et cela aussi, euh, quand je parle de cet aspect-là, c'est aussi la pauvreté ambiante, en tout cas. Les gens, c'est ce qu'ils ont, la façon de. de l'habitat fait partie aussi de. Vous voyez quoi Dans les conditions du bien-être, l'habitat, lorsque vous ne pouvez pas que vous offrir une case en tige ou bien une maison en banco, vous conviendrez avec moi qu'effectivement, avec le changement climatique qui, s'annonce, dès qu'il y a des fortes pluies. la prise euh, d'un nombre de mesures pour ah, ah, s'adapter ah, obligatoirement. Et je soutiens l'observation de Madougou. Mhm. Effectivement, dans le cadre des travaux pour améliorer nos, villes, le cas des travaux, en tout cas, a été évoqué. Effectivement, il va falloir mettre vraiment du sérieux. On a vu récemment le cas à Gadez. Donc, il va vraiment. La Ceux qui ont le marché prennent vraiment le soin de l'exécuter pour d'abord leur propre entreprise qui a besoin en tout cas de la publicité. Mm. Mais quand vous faites ça, demain, même ceux-là qui viennent le marché ne peuvent plus vous donner parce que simplement vous avez failli. Donc, bref, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent euh, où euh, j'avoue que au niveau donc étatique, il va falloir euh, maintenant créer les conditions. dans vraiment, dans en tout cas au niveau de lotissement de, nos villes, mm-hmm. en tout cas qu'on puisse prendre des dispositions. Maintenant, au niveau des animaux, peut-être ce qu'on pourrait faire, et ça c'est assez compliqué, mm. euh, comment faire en sorte que le cheptel en tout cas euh, soit en tout cas soit un peu peut-être euh, déplacé, c'est compliqué. Donc cela, je pense qu'il faut des experts en tout cas pour réfléchir. Pour les zones d'Ingal et de Chintabaran, il se rapporte que souvent ces animaux euh, passent la nuit dans des coris et du coup souvent quand il y a pluie euh, c'est le euh, catastrophe sont emportés climatique absolument parce que c'est des zones qui ne sont pas habituées à voir des ah, grosses pluies maintenant vous avez vu la tendance à changer surtout regardez Ingal la position géographique de Ingal Ingal, aujourd'hui, se retrouve dans la même position il y a quelques années comme un village qui se retrouve dans le sud de, euh, vers Gaïa. Hmm. La même pluviométrie. Donc, voyez-vous que, même que les gens ne sont pas habitués les, les, habitations ne sont pas adaptées à, ce genre de situation. Donc, vous voyez comment ça crée. Déjà, aujourd'hui, c'est aussi une charge pour l'État. Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà vulnérables. On a fait, il y a des personnes qui sont en situation de vulnérabilité où l'État a demandé les partenaires pour plus ce nombre qui vient de se greffer, vous voyez, c'est encore une charge. Ça augmente aussi à la euh, pauvreté quand les gens perdent toute la richesse qu'ils ont, notamment le euh, bétail. Oussaini, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose C'est-à-dire, par rapport au bétail, hein, par rapport au bétail, parce que l'eau, quand ça vient, la pluie, quand ça commence à tomber, on ne sait pas quelle est la force. Combien de Qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui est en train de venir Oui, bien sûr. Quand ça s'abat sur une ville, sur une localité, a priori, vous ne pouvez pas savoir pour dire. Et quand ça commence, on ne peut pas prendre les animaux pour les mettre dans une maison. bien entendu. Et en plus, de l'autre côté, c'est que euh, ce qu'il ne faut pas <clears throat> perdre, de vue, c'est que c'est des régions, c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de pluie. Et les animaux sont souvent, et comment avait dit, affamés, en tout cas ont faim. Et quand les animaux ont faim, ils ont pris la chaleur pendant toute l'année une telle pluie, inévitablement, ça va les décimer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des zones où ça s'est posé. Mm-hmm. Bien, nous passons à, un autre sujet, le Hajj 2018 au, Niger, euh, à moins d'une semaine du premier vol qui, était, est prévu euh, pour le 2 août. Euh, les préparatifs vont bon train selon le secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra. Suivons ensemble le point que fait Mani Mahamman Sanoussi, secrétaire général du COHO, propos recueillis par Gungu Mahamman Dantani lundi dernier. À la date d'aujourd'hui, au total, nous avons enregistré 12 568 pèlerins, l'option charter et l'option vol régulier. En charter, nous avons enregistré 9 128 pèlerins et en régulier 3 440. Ceux qui se sont acquittés de leurs frais, le nombre se chiffre dans l'ordre de 5 000, ceux qui ont payé effectivement. L'établissement des passeports, toutes les dispositions ont été prises au niveau du consulat. Ils sont fin prêts pour commencer à délivrer les visas. Je pense que d'ici demain, nous allons avoir la liste définitive et le consulat va commencer à délivrer les passeports. Mani Maman secrétaire général du COHO. Euh, Issa Mormadougou, qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans la préparation de l'édition de cette année du Hajj C'est un peu la réduction drastique des candidats euh, au, au pèlerinage, au Hajj. Euh, je n'ai pas le chiffre exact du quota du Niger, c'est passé 15 000. 15 000. oui. On voit que même les préinscriptions, on est jusqu'à 12 000. Mais ceux qui se sont acquittés de leurs frais sont 5 000. Une problématique euh, Non, peut-être que c'est la situation économique qui explique cela. Parce que vous savez, même religieusement, il y a des conditions pour remplir le H. Vous ne pouvez pas être vraiment dépendant euh, quelqu'un qui est dépendant n'est pas vraiment, il n'y a pas une obligation pour cette personne. Quand, même si on vous offre, vous pouvez prendre votre argent. Par exemple, un sinistré. On prend le cas quand on a parlé. Quand on lui offre le Hajj, par exemple, il peut récupérer son argent pour, pour retrouver sa dignité humaine. Donc, voyez-vous un peu, il y a tout cela. Mais le problème du Hajj au Niger, moi, je pense que c'est, il faut ce contrôle strict au niveau de ces agences parce que il y a des informations qui circulent. il y a beaucoup, beaucoup de pèlerins qui ont commencé à se prendre parce que vous savez, il y a des gens qui ont eu des, facilités de paiement depuis. Maintenant, on leur fait comprendre que comme ils sont pas en train, au lieu de reporter leur argent jusqu'à l'année prochaine, on dit non, parce que les agences euh, font comprendre qu'ils sont partis faire des réservations. Mais vous ne pouvez pas faire réservation au nom de... Même quand vous prenez un billet d'avion chez les compagnies, euh, on ne peut pas vous programmer forcément. C'est quand vous décidez de la programmation. Et ils ont fait des réservations d'hôtels et des chambres. Donc, il n'y plus de marche arrière. Donc ils, ils ont perdu c'est une moitié qui vont. Donc, voyez-vous, tout cela, c'est pour cela que moi je pense qu'il faudrait vraiment encadrer. Parce que aujourd'hui. Le, coho est là pour faire cela. Mais l'année passée, quand le coho, il y a eu. Ce petit, ça, a eu. Non, on ne peut pas condamner, parce que nous sommes des humains, on ne peut pas faire tout d'une manière parfaite. Hmm. Parce que quand l'année passée, le problème de, nourriture se posait à Mina, on a crié, les agents ont crié, voilà, voilà, nous, c'est qu'on avait dit, oh, le on ne peut pas. Cette année, on les a donné la latitude de gérer leurs propres affaires. Et voilà que eux, au lieu de, faire d'une manière objective, ils prennent l'argent qu'ils ont, ils réservent des places. Pourtant, ils savent qu'ils n'ont pas encore ces inscrits. Voyez-vous la problématique mm. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est qu'on met en avant le caractère business devant un rite. On ne fait pas du business avec la foi. On ne peut pas faire du business avec la foi. Il faut que les gens aient ça. Parce qu'on parle de la religion. On parle de Allah, mm. notre créateur. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Parce qu'il ne faut pas surfer sur la religion pour se faire l'argent. Elle a, elle a justement l'édition de cette année. Est-ce qu'il y a une inquiétude que vous, vous, voyez venir euh, Bon, je constate quand même. Euh, hum, moi, j'ai suivi le, le Hajj euh, quand j'animais le journal Assalam, hum, donc j'ai suivi ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que les réformes qui sont faites, franchement, augurent des perspectives intéressantes. Il y a quelques problèmes, mais vraiment, avant c'était le transport. Souvent même, jusqu'à la veille, les gens peuvent en fait euh, se craignent de ne pas faire le mm. Hajj. Mais par exemple la question du paiement, ça rassurez-vous bien que c'est pas le manque d'argent, c'est que la majorité des pédales c'est leurs enfants aisés qui payent pour eux Ils attendent la dernière minute pour, verser l'argent. Donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est une Parce que c'est un problème de, mentalité. Mm. Le Coho a dit que d'avance désormais Oh, on avait même donné une date butoir absolument, euh, absolument. Pour mais avec tout cela, vraiment, il y a un travail qui a été reporté. vraiment changement. Donc, bref, moi, je pense que quand même, de plus en plus, ce, travail-là est en train d'être un travail formalisé parce que simplement, mais comme l'a dit euh, Issa, effectivement, le Hajj est un business comme un autre. Et très malheureusement, c'est ça qui fait que vraiment, on trouve n'importe quelle escroquerie et il manque des sanctions au niveau euh, vraiment aussi étatique. Et cela, justement, je pense que pour amener en tout cas de l'ordre, mettre l'ordre dans la chose, il va falloir en tout cas tout celui qui détourne l'argent des, pèlerins, qu'il soit sanctionné de manière exemplaire. Euh, c'est votre point de vue je pense Comment que, Oui Je pense que d'abord, euh, contrairement à ce que Alaji Mohamed vient de dire, il y a le problème économique parce que Donc ce n'est pas, qu'un problème de, de mentalité. Il y a la question financière. Parce que, vous que si on n'a pas de l'argent, on n'est pas tenu d'aller Je veux dire, chaque année, le coût, le augmente. Chaque année, si vous faites le constat, il y a des coûts qui augmentent. Le billet d'avion, ça augmente. Et ça devient de plus en plus intenable. Aujourd'hui, peut-être on nous a donné un quota d'environ de, 15 000 pèlerins. Mais quand les gens parce que quand les gens peuvent donner, ou du moins ils ont des économies qui peuvent atteindre, ils vont aller verser. Mais quand la personne n'en a pas, ou la personne a juste la moitié, et elle verse la moitié et l'autre moitié n'est pas versée parce que à ce que je cherche, c'est ce qui s'est passé quoi. Avec ces 500, 5000 pèlerins. 5000 qui, ont effectivement payé c'est 12 000. Évidemment, ça pose le problème en tout cas de l'environnement économique. Et il y a d'autres problèmes, bien entendu, avec, euh, comment vais-je dire, les agents de pèlerinage. Chaque année, ça pousse. chaque année, souvent, l'agence se résume à deux ou trois personnes. L'agence de pèlerinage. Mais bien sûr, l'État n'arrive pas, ou du moins l'État ferme les yeux, parce qu'il y a des gens, c'est devenu un business. Quand la personne opère un seul âge, une édition, l'argent là peut lui permettre de manger jusqu'à la prochaine édition et, ce euh, que je euh, voudrais porter par rapport à la mm. question d'argent, mm. en fait, euh, ne parle pas au Hajj qui veut, comme l'a dit en fait. Qui peut. En fait, parce qu'il y a des conditions. Ceux qui sont annoncés pour aller au Hajj, c'est soit eux-mêmes, ou bien leurs enfants, ou, bien en tout cas des commerçants qui, vont, qui ont promis ou bien un beau fils va. C'est un peu ça en réalité, ceux qui, mm. sont, qui sont aisés. mais ceux que d'habitude, ces gars-là, versent l'argent à la dernière minute, malheureusement. Alors que si c'est sérieux, vraiment, si on veut faire un truc formel, dès que vous inscrivez quelqu'un, versez l'argent parce qu'il y a des garanties. C'est parce que euh, les gens n'ont pas totalement confiance aux agences. Il y, a, la confiance, mais quand même le cadre qui est créé, franchement, par là, il y, a, aussi la mentalité plus euh, combinée à la morosité économique parce qu'il y a un système GAO. Quand vous payez votre argent, et y Vous êtes, on sait comment ça, euh, transite. Donc, je ne pense pas que. Mais c'est vrai, il y a des agences qui, ne sont pas des gens tout à fait nets dirigées par des gens vraiment qu'on sait que ce n'est pas vraiment pour le bien de leurs pèlerins qu'ils le font. Juste une précision, j'ai entendu le commissaire de Coro parler sur le comportement de leurs pèlerins. Franchement, il a raison. Cette année, les Saoudiens ont pris des mesures drastiques, surtout par rapport à ceux qui amènent certains produits. Hmm. Il ne faut pas que J'allais en venir euh, justement. Euh, il y a des pratiques en tout cas qui sont observées autour du Hajj, des pratiques. Il, hein. il a, il a insisté. Il a, Notamment par exemple le port de cola, de la cola et autres il y a des destinés à ont, Les Saoudiens ont décidé cette année que toute personne qui sera prise avec ces produits, il va, suivre les lois de, de son pays, de leur pays. Il ne va plus revenir. Donc, voyez-vous, donc il faut que les gens prennent conscience que le Hajj, c'est un rituel religieux. Vous partez pour chercher la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah. Donc, pourquoi vous mettez ça en avant euh, pour aller faire du business. Et là, vous vous exposez. Il faut que les agences aussi attirent l'attention de leurs pèlerins. Vraiment, cette année, les Saoudiennes, ne sont pas du tout vraiment euh, tendres. ils, ne seront pas tendres avec tout cas d'infraction par rapport à ça. Tout produit, ils ont listé les produits, ils les ont envoyés au, niveau des pays. Et il faut qu'aujourd'hui, parce que le COHO, avec tous ces gens, ne peut pas contrôler tout, tout le monde. Tout le monde. Parce que oh, c'est vrai, vous, ils prennent ici à l'aéroport. Mais quand même, d'autres arrivent à passer avec leurs produits. Donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on épargne un peu l'image du Niger, qu'on dise que toi, c'est des Nigériens qui ont été pris dans tel cas, tel, tel, tel cas. Vraiment qu'ils partent, qu'ils prient pour eux-mêmes, qu'ils prient pour le pays et puis pour la communauté euh, nigérienne. C'est ce qu'on attendait. attendu. Hum. Et là, seulement on a vu quand même il y a un certain nombre de business qui est fait autour du Souvent, euh, les gens emportent avec eux des, Très malheureusement, ce business-là est entretenu par euh, des gens proches euh, des responsables Rapidement, Ousseini et euh, plutôt Suleiman, nous allons passer au dernier sujet. Finissez, finissez. Donc, j'ai dit, dommage souvent, ce business n'est pas entretenu par les pèlerins eux mais les proches. Euh, responsables d'agence qui se permettent certaines choses. le prophète de, pèlerin qui sont allés vraiment chercher la grâce d'Allah. Hmm. Mais pour leur confier des choses, euh, vous voyez, c'est bien dommage parce que c'est là qu'ils sont allés chercher vraiment à avoir euh, la bénédiction de Dieu ils n'ont pas le temps de s'occuper du dunia. Mm. Donc il faut vraiment le déplorer. Euh, nous terminons, euh, nous terminons avec l'élection présidentielle malienne qui aura lieu donc euh, très bientôt, après-demain. 24 candidats sont à liste pour le portefeuille présidentiel. ici au Niger, les Maliens qui y résident sont appelés à aller retirer leurs carte d'électeurs au consulat du Mali, selon Suleiman Mega, représentant de la commission électorale malienne. Au Niger, à ce jour, 46% des cartes d'électeurs ont été retirées pour ceux qui étaient des qui se retrouvent, euh, donc, qui sont dans les camps des réfugiés. Des équipes seront dépêchées pour leur amener donc, euh, le matériel. Quelle analyse vous vous inspire ce soutien euh, du Mali Les informations qu'on a ne sont pas bonnes pour cette élection malienne. on parle de l'existence de, de deux fichiers, mais je crois que cette information a une certaine limite. l'opposant principal, M. Soumaïl Sissé, a vraiment quand même la horde très, haute. Il a refusé de participer au dialogue, euh, euh, tout cela, mais je crois que selon nos informations, il y a une rencontre ce soir avec le Premier ministre. Mais franchement, moi, je, je dis que la posture de ce, de ce candidat, euh, il avait accordé une interview à Jeune Afrique où il a dit clairement que si lui ne passe pas, donc il considère que forcément il y a eu une euh, fraude et pour conséquent il pense euh, effectivement euh, faire une, mettre le pays dans une situation de... L'autre observation c'est qu'en fait vous voyez 24 candidats dans un pays vraiment qui a connu une situation de non-État. En réalité pour dire que les gens ne tiennent pas les leçons. ces 24 candidats, par exemple, aussi, les opposants doivent vraiment faire une force unique pour avoir plus de chances. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut le reconnaître. Euh, on dit, les médias, en tout cas, nous disent que le président sortant est parti favori. Maintenant, le fait que les opposants n'arrivent pas, en tout cas, à avoir un candidat unique, franchement, cela peut favoriser davantage le, président sortant. Euh, Issa, Madougou moi, je pense que euh, tout ce que nous souhaitons que ces élections se déroulent dans le calme et la sérénité. Mais quand même, on sait qu'aujourd'hui, il y a une partie du Mali est plongée dans une insécurité ambiante. Et d'ailleurs même, c'est ça euh, l'inquiétude de la communauté internationale, Barkhane qui refuse aujourd'hui de déployer ses forces pour sécuriser certaines zones, qui disent que non, euh, ils sont pris par autre chose, euh, qui donnent des raisons qui Mais quand on regarde ces élections, au Mali à l'allure où les candidats sont en train de battre la campagne. Je suis désolé, j'ai un peu suivi, mais ces, ces, gens-là, ces politiciens-là au Mali ne se battent plus pour le Mali. Pour Ils se battent pour qui Pour eux-mêmes. Parce que quand vous entendez ces des, des, des, des, discours ethniques, régionalistes. Est-ce que vous pensez que c'est cela qui explique euh, le nombre important de candidats Non, le nombre important, c'est toujours ce que a, été euh, la maladie de l'opposition en Afrique. Le fait d'avoir une idée de qui porte la chance qui peut être ce candidat unique. Parce que c'est ça, tout le monde veut être président, tout le monde veut être... Mais quand vous partez à rang dispersé, de toutes les façons, ils savent que Yves ne va jamais perdre ce pouvoir. Il sait, même quand vous prenez son programme, qu'est-ce qu'il est en train de dire son programme il est tellement vide parce que quelqu'un qui n'a même pas pu ça, unifier. Votre point de vue. Oui, mais attends, la, réalité peut avoir, euh, avoir, du sens. Il a, seulement joué la carte de, de, son, de Soumaïlou Boubé pour, euh, son joker, son premier ministre qui a renommé les élections pour mm. pouvoir avoir le Nord. Tout le monde sait qu'il n'a jamais pu unifier, mais il se dit qu'il a unifié le Mali. Donc, voyez-vous, tout ce que nous souhaitons, que les Maliens partent euh, aux urnes dans le calme et la sérénité. De toutes les façons, c'est qu'il y a des zones que ces élections ne vont jamais euh, se dérouler. Et donc, c'est ce qu'on peut leur souhaiter que le meilleur gagne de toutes les façons. Ces élections sont jouées d'avance. Et c'est que le camp de Soumaïla Sissé, façon dont ils sont en train d'aborder ces élections, je ne pense que, je pense que ça n'augure pas un lendemain meilleur pour le Mali. le Mali a besoin de paix. Le Mali a besoin de dignité pour se construire. Euh, Nissa le premier problème dans cette élection malienne, je vais dire, c'est d'abord la question du fichier. Parce qu'il faut d'abord qu'ils s'entendent. Et à ce que je mm. jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'entente autour du fichier parce qu'on pense de deux, on parle de deux fichiers. L'élection, c'est pour ce dimanche. C'est pour ce, dimanche. Maintenant, le deuxième gros problème, c'est l'insécurité persistante dans le Nord. Et ça, on a dit que les candidats, les différents candidats, en tout cas, ont proposé ont, des propositions par rapport à Il y a beaucoup de Maliens qui ne pourront pas, qui ne pourront pas voter, c'est clair. Hmm. Maintenant, il faut craindre aussi, à l'occasion, le jour de l'élection, qu'il y ait des, attaques. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un business, cette insécurité-là. C'est comme un business. Ça dit, ça fait combien d'années que Barkhane Serval d'abord, ensuite Barkhane, plus d'autres forces sont sur le terrain. Et que jusqu'ici, on n'arrive pas à pacifier cette zone qui est devenue un no man's land à la limite où les gens font tout, tout de trafic. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain. Voilà la difficulté. Et je pense que ça risque d'impacter négativement sur, sur, sur les scrutins. Euh, quels sont vos favoris euh, Je n'ai vraiment pas de favoris. les principaux non, favoris Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Pour moi, c'est des candidats. Je sais qu'il y a des candidats. Ils, vont juste. Est-ce que pour, vous, Ibeka va continuer IBK fait partie des favoris. Soumaïla Sissé fait aussi partie des favoris. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas leur poids sur le terrain, mais les autres, c'est clair ils ont quand même des militants. Hmm. Il y a quelques-uns aussi qui disposent de militants, mais ce qui se passe, c'est que les gens voient en nombre pour pouvoir négocier. Voilà un peu la démarche. C'est pas les gens sont partis juste pour, pour, partager le gâteau. 24, tout le monde sait qu'il y aura des candidats qui n'auront même pas 1%. Donc, il y, il y aura qui vont suivre les autres. C'est juste, un manque de sérieux, un hein, manque d'ambition pour leur pays. C'est ce que je disais aujourd'hui. Le Mali n'a pas besoin de ça. Même les discours qu'ils font besoin d'unité et de paix. Mais que, tant que les gens ont une visée personnelle et clanique, je pense que c'est pas ça. Aujourd'hui, nous, le Niger, pour finir, le Niger, nous, on a, le Niger a contribué dans la stabilisation. Nous avons perdu des hommes. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, nos efforts que nous avons fournis pour ce pays frère, que ces politiciens maliens fasse effacer cela, ce sacrifice-là. C'est ça que aujourd'hui nous prions pour que ces élections se déroulent dans la paix. C'est sur ces mots, Issa, que s'achève le forum de la presse de ce soir. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions avec Issa Mormadougou, journaliste à la radio-télévision Ténéré, Hussein Issa, Elaj Suleiman de la, du journal en ligne Gérinter. Présentation à la Sainte-Cousine Mamadou à la technique Hussein Issa, Bon début de week-end à tous. N'oubliez pas le rendez-vous des forums en langue ce samedi avec Mamanada et Anza dimanche soir avec Balkis à partir de 17h15. Bonsoir.